dibiterie Uba pour la première fois dibiterie professionnalisée professionnel Ndawal. musoko la de am suñu marinade bop, am suñu cafka bop, am suñu secret bop. na nga non ni non la McDonald amé ay secret non la dibiterie Uba amé ay secret dibi Uba safia Ouba, Michui Ouba, poulet Ouba, pigeon Ouba, pentade Ouba, bol Ouba. Kaimorle fou wax la dibi 77 629 00 00 fa saaf 77 633 57 57 Fou Michui Nehe, Moui dibiteri Ouba Fou poulet dibiteri Ouba te nag dibiteri Ouba Commandel, livrer le fangane. Boule Nehe, tamit nga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 Chers amis fidèles internautes, vous qui avez choisi la chaîne des grands événements VIP People TV, s'informer juste c'est vrai. Nous allons vous abonner pour abonné ba noppi bu leen cloche de notification bi ngir jot une vidéo tey nag di mercredi 20 septembre 2023 ñu vous leen un numéro actif du jour comme nous l'avons dit, nous dañuy vous li gën a fës ci xibaar ci journée bi ñu un leen ko faram-fàcceel leen ko toog waxtaan ceeg yéen xam ngeen am muy 78e session assemblée générale des nations unies bobu nga xamanteni ñu ngi amal Fofu ci New York te ki nga xamanteni moy son excellence le président de la république du Sénégal monsieur Macky Sall war fa teew teewaayam foofu nag yaakaar naa ni dembu gis nañu discours bi nga xamanteni yëkëti nako na discours am boobu nag am na loo xamante ni na muy système multilatéral bo xamanteni c'est révolu bo xamanteni dañ ko hérité du passé donc kim lu mu ci xamal ni c'est devenu obsolète ñoo bëgg ñu dem déglu ji discours ki nga xamanteni moy président de la République Macky à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, fofo New York, sous la présence effective du secrétaire général des Nations Unies, du président du Brésil et des chefs d'État des États-Unis d'Amérique. Que le système multilatéral, héritage d'un passé révolu, est devenu obsolète. Or, comme l'a justement alerté le secrétaire général Antonio Guterres, un système qui continue d'ignorer les réalités de son temps et les besoins de plus de trois quarts de ses membres accentue les inégalités, génère les conditions de sa contestation et provoque le risque de sa fragmentation. Si nous voulons éviter cette fracture, la sagesse commande de réformer la gouvernance politique, économique et financière mondiale, afin qu'elle soit plus juste, plus représentative de la diversité et conforte ainsi sa légitimité. Nous pouvons y arriver si nous mettons la volonté politique nécessaire. Le G20 l'a montré en admettant l'Union africaine comme membre de plein droit. Je remercie vivement les membres du G20 pour leur soutien unanime à cette initiative que le Sénégal avait portée lors de sa présidence en exercice de l'Union africaine. Nous souhaitons que l'exemple d'inclusion ainsi donné par le G20 soit suivi par le Conseil de sécurité et les institutions de Bretton Woods pour un multilatéralisme plus représentatif des intérêts de tous ses membres. De même, le Sénégal reste attaché à la vision des relations internationales apaisées, fondées sur l'égalité, fondées sur l'égale dignité des peuples, des cultures et des civilisations. Le 31 octobre 1961, soit un an après l'indépendance de notre pays, le président Léopold Sédar Senghor expliquait ici sur cette vision par ses mots, et je le cite, Une civilisation particulière ne saurait s'imposer seule sans dresser contre elle la majeure partie de l'humanité. Fin de citation. 62 ans après, notre position reste la même. Entre peuples libres, dont l'histoire et les réalités socioculturelles sont diverses, il ne peut y avoir de légitimité pour certains de définir et imposer à tous une seule façon de vivre comme un prêt-à-porter civilisationnel. Ce qui va pour les uns ne va pas forcément pour les autres. Ensemble, nous pouvons pratiquer nos valeurs communes. Mais ensemble, nous devons respecter nos différences. Voilà pour le Sénégal ce qui doit forger un universalisme revitalisé, plus ouvert et plus efficace dans la prise en charge des défis de notre temps. Parmi ces défis, il y a l'urgence climatique. Alors que les phénomènes extrêmes se multiplient, le Sénégal reste engagé dans la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. Ainsi, grâce à notre politique volontariste de mix énergétique, les énergies renouvelables représente aujourd'hui 31% de nos capacités installées. Avec la signature en juin dernier de notre partenariat pour une transition énergétique juste, nous avons l'ambition de porter ce taux à 40% en 2030. Et je remercie ici les pays partenaires du G7 qui nous ont accompagnés dans la mobilisation de 2,5 milliards d'euros sur une période de 3 à 5 ans à partir de 2023 pour financer nos projets au titre de ce partenariat. Nous poursuivons en même temps la réalisation d'infrastructures sobres en carbone et résilientes au changement climatique, dont deux projets le système de transport de masse, un train express régional et une ligne de bus rapide transit, tous deux électriques. Avec l'exécution de nos projets nationaux et continentaux, à l'image de la Grande Muraille verte, nos pays sont clairement engagés dans l'action climatique à la hauteur de leurs moyens. Il reste que pour l'essentiel. kon a naa ni ñoo déglandoo discours bobu nga xamanteni ki di son excellence le président de la république du Sénégal Macky Sall yëkëti nako fofu Manam, ci session assemblée générale bu Nations Unies ca New York limu gëna gën a préciser système bi nga système unilatéral bo hérité et c'est devenu obsolète am héritage du passé la won amul won président de la République Macky Sall un avocat de l'Afrique au lieu que mu défendre Sénégal mais je crois que l'Afrique entière le donne défendre fofu ci bir euh, téwayam qui ci la 78e session générale des Nations Unies le président de la République du Sénégal Macky Sall assisté à l'ouverture officielle bi nga xamante amon na président de la République accompagné d'une forte délégation déroulé na Fofou le programme de xamanteni ni chargé na trop suñu sukkandikoo ci lolu gis nañu assistant bo xamanteni ni na fa avant muy def discours ginnaw bi nga xamanteni ki def na discours muy secrétaire général des Nations Unies bi mu jógee fofu ki nga xamanteni moy chef d'état Brésil moom aussi def na discours ginnaw lolu le chef d'état des États-Unis d'Amérique Bon aussi def discours ci si lolu nak ki di Macky Sall bu mu prononcé ci discours gis ngeen lu fa yëkëti génnee na fa ay plan yo xamanteni ni bare na trop génnee na fa ay euh, défense yo xamanteni manam maanaam def plaidoyer dal pour l'Afrique. on est que l'Afrique Afrique fi mu taxaw ak ni mu toll tey bokk ci président yi nga xamanteni ils ont participé à la démocratie ils ont participé à la stabilité ils ont participé à la liberté d'expression parce que gis nañu ay coup Afrique yu bëri tay pour ñu jël pouvoir bi dañuy par armée par coup d'état mais Sénégal wane na un exemple par rapport ak l'OLU. Si nous xoolee mu c'est ci deuxième quinquennat bi nga xamante amal en 2024 mille prochaine prochaines élections yi il avait tenu sa promesse en 2019 il a respecté ça donc il a préféré la stabilité de son pays au lieu que de di dem ci au lieu que decam Tay ay terroristes du Fodougou, au lieu que tey dëkkam tey mu dugg ci ay guerre civile lu melni liñu gis Mali lu melni ni gis Niger melni ni gis Burkina Faso donc yoyu Sénégal épargné wu na ci donc ki di président Macky Sall daal def na plaidoirie Afrique en passant par le Sénégal en passant par lui-même donc ñu bëre sax ñi ngi njorta plaidoirie bobu c'est juste parce que ginnaw su paré mandat bi dafa bëgg a nekk secrétaire général ONU ci bir lolu batay gis nañu ki di président Macky Sall ginnaw bu mu prononcé wo ci lolu wax na ni que ginnaw bu mu renoncé à son second qui dit président de la république procède aussi qui lancement bi nga xamanteni na campagne mo xamanteni mo jëm panel international de haut niveau sur les investissements surtout dans le secteur de l'eau mu bok aussi ci thème bi nga à maintenir comblé na lepp lo xamanteni jëm na ci fossé investir dans l'eau comme niñ koy organisé par le Sénégal les Pays-Bas la Namibie ak l'Union africaine Madame bi 11h13 matin bobu la amal discours bobu ci salle de conférence bi nga xamanteni moy euh, numéro 3 en tout cas dans luñu leen mëna indil ni que dal moy ki di président de la république Macky Sall ci téwayam fofu ci 78e session assemblée générale des nations unies bi ñi amal fofu ci États-Unis d'Amérique plus particulièrement à New York défendre na bu baax baax li nga xamanteni moy point yi nga xamanteni ki di Europe. Qui euh, di Afrique aussi taxawal noko amal noko donc moom li ñu Madame a qui rek maanaam mooy président de la République Macky Sall xamal na ni avocat africain dama bëgg ñu seetaan yi beneen vidéo bi nga xamante amal noko ko bu mu ci panel boobu nga xamante ni séqoon na ko fa maanaam lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu ndox jëm ci investissement ci secteur boo xamante ne dañuy combler investisseurs dans l'eau pour ñu accompagner organiser ko par Sénégal ak Pays-Bas ak Namibie ñu seetaani vidéo bi le soir waat ah, gonna this way. Yeah. kon yaakaar naa ni ñoo seetaanandoo vidéo boobu gis nga leen ñoom chef d'état yi fa nekkoon par rapport ak ak défense bi nga xamante son excellence le président de la république jóg na défendre ko tey yaakaar naa ni tey kuy sénégalais war nga am fierté ci yow te kuy africain war nga am fierté ci yow par rapport ak la présence le respect avec de la démocratie de la liberté d'expression de la stabilité boo xamante ni kii di président de la république Macky Sall mi ngi ko fay défendre toujours dans votre acte du jour du mardi euh, du mercredi du mois 20 septembre 2023 Guinao Lolo aussi ses participation 78e session assemblée générale des Nations Unies qui dit président de la République du Sénégal son excellence monsieur Macky Sall et Essange, à Kinga ak Thomas Bach président du comité international olympique discussion bi principalement portée sur l'état des préparatifs en vue des Jeux olympiques de la jeunesse en 2026 fii ci Sénégal l'un organisé organiser moo taxoon Estat, euh, maître Abdoulaye Wade bi nekk Diamniadio ginnaw lolu nak ki di président de la république Macky Sall amna na waxtaan boo xamante ko ak ki nga comité olympique euh, international muy CIO euh, muy Thomas Bach muy image yi nga xamanteni ni ngoy a ci entretien bi la amé toujours dans votre acte du jour du mercredi 20 septembre 2023 li nak dañuy dem feulé nga xamanteni moy cour de la justice de la CEDEAO xam ngeen ni que pôle d'avocat bi nga défendre kii Ousmane Sonko yóbbuwoon

Euh, auprès de la Cour de justice de la CDAO. Il s'agit d'une requête principale contenant l'exposé des faits, les arguments en droit, les demandes adressées à la Cour de justice qu'elle prononce d'une autre demande tendant à obtenir de la demande principale puisse déroger au délai ordinaire et soit jugée avant la date des dépôts de candidature à l'élection présidentielle dans un délai euh, raisonnable qui n'est pas tardive ne compromettent pas à la collecte des parrainages pour le PASTEF et son candidat, le président Ousmane Sonko. En une troisième requête, en référé, laquelle tend à obtenir euh, que la Cour euh, de justice se prononce dans un très bref délai dans et dans les 48 heures de sa saisine par son président sur les trois demandes qui ne peuvent attendre et dépasser à la date du 28 septembre 2023 sans que ne soient prise des mesures euh, conservatoires provisoires qui ne tranchent que pas par la différence qui ne préjugent au fond mais présenter les droits et intérêts de toutes les parties, notamment ceux du président Ousmane Sonko du parti Passif ainsi que l'État du Sénégal. Selon un avocat, maître Juan Branco, qui fait partie de ce pôle d'avocats de l'opposant sénégalais, la Cour de justice de la CDAO a donné 30 jours au Sénégal pour répondre aux allégations préparées par mon confrère maître Théodore donc dans muy requête boo xamante maintenant pôle d'avocat Ousmane Sonko dépose une ko cour de justice par rapport à sa saisine Il bi sous mandat de dépôt ci sept chefs d'inculpation euh, appel à l'insurrection Troubles à l'ordre public euh, vol de portable et tout cela Il y a une condamnation Il deux ans ferme sur la jeune masseuse Adji Sarr corruption à la jeunesse ñi di avocat Ousmane Sonko une requête boobu ñu déposé foofu ca Au cours de justice de CDAO, il y délai à l'état du Sénégal Madame 30 jours pour que nous sukkandiku ci requête yi nga avocat Ousmane Sonko maître Clé Ly déposé na ko que Ousmane Sonko ñu jugé qui diiru 30 jours avant que nous déposer liste candidature yo xamanteni ñoo war ci élection présidentielle du 25 février 2024 ñu avant que pour que mu bloqué. C'est bloqué parrainage en tout cas liñ ci mëna a dal suñu ci Juan Branco bi nga il est sous contrôle judiciaire qui biñ ko lancé un mandat d'arrêt international ñu arrêté won ko euh, Mauritanie ginnaw lolu buñ ko jugé ñu déposer ko sous contrôle judiciaire mom naal xamal na ni que cour de justice bu CEDEAO joxna état du Sénégal un délai de 30 jours pour que nous tranchions cette décision bi nga xamante la maître Clédor Ciré dit pôle d'avocat pour Ousmane Sonko donc y a 30 jours qui dit Ousmane Sonko warna taxaw ci juge bi ñu toujours dans votre acte du jour euh, du mercredi 20 septembre 2023 de ma ñu dem année une vidéo Tel le soir. voilà la situation. voilà ñoo ngi fii New York comme je l'ai dit hôtel xamante ne moom la ñu wax ne la nekk moo nekk nii muy Pierre hôtel gis ngeen hôtel bi ni mu toll waaye sénégalais yaa ngi nii ñëw il dafa tey xet ñun ñëpp ñoo ngi tey xet mais jaral na leen ko parce que ils dénoncer l'attitude de ce régime Dictatorial, l'attitude de ce régime de Macky Sall Lolu moy li daw au Sénégal les patriotes les militants et les sympathisants dañ leen jay jaay di wër di ici à New York ils sont à découvert ici à New York. voilà mbokk yi ñoo sont dama mon je tenais aussi voilà de problème ok no problème voilà thank you voilà merci gars yi ñoo ko d'ailleurs c'est un exemple 10 ngeen ki nga xamante ne moom mooy euh, policier bi moom mu may wax ne tout ci yoon bi rek ñu suñu manifestation comme il se doit ñoo ko nous sommes ici devant l'hôtel où loge le président Macky Sall gis ngeen Sénégalais yi ñu ngi manifestation gis ngeen diplomates yi nous ngi comme d'autres diplomates d'autres pays yoo xamante ne fii la loger parce que vous le savez, demain, c'est la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. waaye ñoo ngi une manifestation ñoo ngi ñuy may ñu mën a wax li nga xamante ne moo ñu naqari mais surtout ñoo ngi ñuy may ñu mën a wax lépp loo xamante ne moom dañu a dénoncer ici mi ngi ci biir waa présidence mi ngi ci biir délégation mi ngi ci biir d'autres diplomates sont tentés de voir moom Macky Sall ne fugitif finalement les Sénégalais les ont retrouvés kon dañuy ànd ak yéen ci li nga xamante ne moom mooy ambiance bi ngeen gis li nga xamante ne moom lay def en ce moment ici à New York ci manifestation bi léegi Please help out! Please help out! kon yaakaar naa ni yéen a gisandoo ñooñu nga xamante ne ñi ngi taxaw si ginnaaw barrière bi yor ay euh, photo Ousmane Sonko taxaw foofu di naan Sonko namm nañ la ba pare jël seen vidéo yi di ko partagé ci seen réseaux sociaux yi di naan le président Macky Sall c'est un fugitif fugitif nag moo xamante ne koo xamante ne dafa daw làqu je crois que fugitif tey suñ koy wax ñu ngi koy wax ci ñi nga xamante ne ñoo ànd ak Ousmane Sonko parce que gis nañu kii di nga xamante ne mooy Ibrahima Sall nekk ca dem làqatu ji Mali gis nañu ñeneen ak ñeneen te nee moom bu mu fa ñëwee dafa fekk ay nit yu bëri ñi ngi daw làqu gis nañu kii di Ousmane Diagne moom aussi mi ngi daw làqatu ji donc ñoom ñooy ay fugitifs ñoom ñooy làqatu ji moo tax je crois que toujours ci seen ay manipulation la ñu nekk ci seen ay fen parce que quelques personnes yoo xamante ni taxaw yor seen ay pancarte taxaw à des milliers de mètres Hôtel Benek, parce que la sécurité américaine Aujourd'hui, le président de la République Macky était venu aux États-Unis en tant que chef de l'État de la République du Sénégal et non pas en tant que secrétaire général d'un parti politique qui est Alliance pour la République du Sénégal. Donc, toujours, je veux attirer l'attention du peuple sénégalais par rapport aux manipulateurs, un militant. tu dois, être objectif. Un militant, tu dois avoir des idées. Un militant, tu dois être intellectuel. Un militant, tu dois analyser. Mais c'est des talibés, talibés, manam tay dañu top Ousmane Sonko li tax ñu top Ousmane Sonko xamuñu ko jusqu'à ce que Ousmane Sonko est aujourd'hui derrière les barreaux te tey ñoom mënuñu ko fa génne je crois que pancarte yoy ñuy taxawal wala diko def ñewon Sénégal fi taxaw dem jakarlo ko pour que libérer Ousmane Sonko je crois que mo ëppoon njëriñ taxaw fofu ca Amérique nan dañuy jéem yuxu yuuxu Macky Sall ou bien di jéem manipuler le peuple en disant que Macky Sall dafa daw dañ ko yuxu Macky Sall dawul ay ñooñu Macky Sall ñi doon teeru Macky Sall les vrais Sénégalais les vrais patriotes qui ont vu le travail de Macky Sall qui ont euh, salué

le travail de Macky Sall dans la démocratie, qui ont salué le travail de Macky Sall dans l'indépendance de la justice, qui ont salué le travail de Macky Sall dans la liberté d'expression, qui ont salué le travail de Macky Sall dans les relations diplomatiques entre États et surtout en Afrique. Bataille Macky Sall am respect bobu bataille wara taxaw fofu 78e session Assemblée générale des Nations Unies Sous dé dañu né fugitif la tay ku daw xam nga fumu nek lu won dem ci bir salle bobu nga xamanteni Macky Sall fa défé discours ñuy xofu, mais ils ne l'ont pas fait ce qui veut dire que tout toujours ay tappet lañu c'est des manipulateurs li ñuy wax dara amu ci yaakaar naa ni tey li teeru Macky su ñu xoolee milliers de personnes yu nekk ci euh, New York teeru Macky Sall xam nañu si cinquante de états yëpp la ñu jógee ñoom nag nee nañu ñëpp ñooñu def fépp la ñu jógee ci Amérique maanaam Asie et partout te ñoo xamante ni motuñu cinquante donc ce qui te montre que Sonko jeunesse bi ñu ngi koy commencé bàyyi genn wàll bi yëpp bàyyi nañ ko ña des ci moom ñëg moo leen téye je crois que Ousmane Sonko nax na leen fen na leen tey ba nga xamante ni tas nañu parteem donc amatu leen lan moo leen dese vous êtes des mécontents, vous êtes des aigris maanaam loo xamante ci fen ngeen dëkk suba ngoon guddeeg bëccëg comme je le dis souvent képp ko xamanteni talibé Ousmane Sonko la en écoutant ton Tandian tu vas souffrir parce que tu vas entendre que des vérités dëgg yu leer nañ la lay tégal té dëgg yooyu mënoo ko absorber mënoo ko dugal sa biir xol comme nénañu nak ñom dañu barricader loolu dama bëgg a indi benen vidéo bi nga xamanteni bi Macky Sall ñëwé ñan ñoko doon ban ambiance mo fa tapis rouge buñ ko euh, déroulé ngeen xolal seen bop et vous faites le diagnostic entre les deux vidéos vidéo baa kon yakarna ni yéen a seetaandoo vidéo boobu nga xamanteni kep képp kuy sénégalais don patriote bëgg sa réew bëgg sa dëkk fonk sa président de la république am respect am tir. je crois que seetaan nga vidéo bobu nonu lañu téro Macky Sall fofu ci États-Unis d'Amérique plus particulièrement à New York à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies Bataille de vidéo qui amuñu ku ñuy agressé amul ku ñuy sotti ndox nee nañu jigéen la ñuy sotti ndox muy kura Macky alors góor yaa ngi foofu di défendre Macky Sall suba ngoon guddeeg bëccëg ñemewuñu laal góor yooyu kura Macky gën leen dof gën leen egg gën leen doon xam Amérique gën leen xam lan mooy voyoutisme ak lan mooy banditisme kura Macky nañ ko xool naka la doon feccee naka la doon euh, wane ambiance am naka la doon wane mbégteem ci présence su kii nga xamante ni mooy Macky Sall gis ngeen coxo jaaja ngi noonu yor sabar bi di tëgg yëkkati foofu maanaam ay baarambay yu toj la fa def nañ xool vidéo kura bi del kon yakarna ni ñoko sétane do gis ngeen vidéo bobu nga xamantene moy accueil bi nga xamantene accueil ñu ko ki di président de la république gis ngeen vidéo bobu nga xamantene kuro Coura mi ngi woné mbégteem mi ngi woné bànneexam xam yakarna ni ko xamantene dang ko atteindre wala dang ko déstabiliser tay warul am ben sourire wala am ben enthousiasme ba nga xamantene ni lay teeroo président de la république par rapport ak seen vidéo bu ñak xorom bobu nga xamantene même pas 50 personnes taxaw ci ginnaw barrière taxaw di yuuxu ay Macky Sall Sonko nam nañ la su ngeen namé Sonko da ngeen di ñew kërëm mi ngi fi cité gor gi ngeen tok né Sonko c'est ce ko wala ngeen maison correctionnelle et d'arrêt bi nekk fële ca Sébikotane ngeen ne Sonko namoon nañ la toujours dans votre acte du jour euh, du mercredi 20 septembre 2023 li nak di événements événement qui xamanteni gis je pèse bien mes mots je pèse bien mes mots je pèse bien mes mots De dégg bërki dembu ben politicien jàkkaarloog taskatu xibar yi politicien nak la wax waxuma waxuma kilifa diine waxuma chef religieux benn politicien moo jàkkaarloog taskatu xibaar yi amal conférence de presse waxul nag en privé parce que su waxoon ci biir néegam mbaa wax ci biir saalam mbaa wax ak du egg sama nopp bay egg sama làmmiñ mbaa egg sama bët ba ma ciy wax politicien nag un la wax ab politicien laa gis mu def point de presse ginnaaw biñ ko tëjee mu bok ci ñi nga xamanteni dañuy jappalé ki nga xamanteni ni Ousmane Sonko ñu may ko liberté provisoire mu génn jakarlo na ak taskatu xibaar yi presse bi yëpp fa nekkoon micro yëpp fa nekkoon ñëpp seetaan ko aduna seetaan ko pour encore bu kenn déformer samay propos je parle avec un politicien bu dëkk ci ville sainte bu Touba ak politicien bi nag laay waxal parce que ci politique la waxee ci biir foofu dama ci dégg benn kàddu. Nous avons fay nañ millions pour que nous tournions le dos à Ousmane Sonko C'est ce que je public la public, waxee ci presse la ñu 200 millions pour que nous bàyyi Ousmane Sonko Nous avons ñu ne ko exilé wu Sénégal Et qui la accusé C'est la première dame de Mariam Faisal du Sornay, président de la République du Sénégal Macky Sall.

wax su yenoo maanaa nopp yi koy dégg war a wér wax mana yenuwul maanaa nopp yi koy dégg war a wér je crois que nit koo xamante ni nekkoogul président nekkoogul dara naka lañ la mënee proposer 200 millions ñu ne tourner le dos à diw benn ñaareel ba ki nga xamante ni amoo benn problème ak état amoo benn problème ak nguur amoo benn problème ak dara naka lañ la mën a proposer nga exiler parce que yoon jàpp la kon yaakaar naa il faut bien faire la différence kooku nag li ma leen di wax rek fee mi ngi am en deux mille vingt le huit avril deux mille vingt xibaaru bind na article article baa ngi noonu ngeen di gis xibaaru moo ko bind dama bëgg ñu seetaani article bi ñu liir xibaaru lan la ci wax. kon yaakaar naa ni xibaaru moo bind article bi le huit avril deux mille vingt Du nouveau dans l'affaire du célèbre marabout politicien qui avait engrossé une jeune fille de 24 ans et dont il refusait la paternité, le gros bonnet en effet n'est nul d'autre que le célèbre responsable politique à Touba. Témoignant hier dans l'émission Balance de Wolf, la jeune fille en question est revenue sur son idylle avec le célèbre marabout. On s'est connu lors des dernières élections présidentielles je l'avais approché pour qu'il m'aide à mettre sur pied un de mes projets à laisser entendre la jeune maman. De là, une relation s'en est suivie jusqu'à ce que commette l'irréparable. Le marabout politicien a refusé la paternité de l'enfant. Début révèle la jeune femme, il avait acquiescer et des menaces de faire circuler les vidéos si toutefois j'épertisse, confusse t elle Les propos sont repris par nos confrères de Sénégal Actu. Par conséquent, elle appelle à une preuve de conscience et invite à reconnaître son enfant. Regardez. kon y a ni politicien boobu dans def point de presse jàkkaarloog askan bi politicien la wax waxuma guide religieux waxuma chef religieux waxuma kenn voilà pour muy leer da ngeen di déformer ret képp ku may tontu ret dama tontu ci politique parce que politicien bi moo wax 2020 dafa am ben xale bu jigéen boo xamante ni dafa génn ci presse bi jaaroon na balance muy émission Walf TV Sénégal Actu reprendra ko xibaaru point net bind ko xale bu jigéen bi dafa xamante woon ak politicien bi ci élection présidentielle yu 2019 mu bëgg politicien bi jàppale ko pour que mu teg projet pour que ñu financer ko ginnaaw loolu la dajeeg politicien bi politicien bi nee ko cofeel dafa dugg ci digganteem ak xale bu jigéen bi daf ko bëgg takk ñaareel. politicien bi loolu la xale bu jigéen bi xale bu jigéen bi 24 ans la am ñaar fukki at ak ñeent ci biir loolu mu xamal ni ko moom tànku caaxaan yëkkatiwu ko kilifa la xale bu jigéen bi tamit yàlla dogal li war a dox seen diggante dox seen diggante. mu xam ne ni ko moom mënul taxaw ak si mbedd wala dajeek moom fenn mu fexe ba mu xale bu jigéen bi ñuy gisee ci biir loolu nag sëy am na ci. ëmb am na ci waa ji ba nga daw responsabilité am si la yëkkati cent cinquante francs jox ko ko pour mu yàq biir bi ndaxte daf ko digoon ni ko daf koy takk mu ne ko nag comme màggal gi jóge na te dama laa bëgg a takk ci màggal bi te kenn mënul takk sëy ci ëmb donc jëlal cent cinquante yi nga yàq biir bi da ko doon bëgg a naxaral xale bi nag jël cent cinquante ba noppi yàqul biir bi bu ñu demee ba biir bi toll ci ñeenti weer mu ne ko hee biir baa ngi fi de yàquwul waa ji bëgg a daw responsabilité commencé menacer xale bu jigéen bi donc je crois que loolu moo indi woon politicien bi nag laay wax waxuma sëriñ bi mu exilé wu ji daw génn dëkk bi ndaxte jamono jooju man mii si sama bopp am na ñoo xamante ni xëy na joge nañ ko xam ko woowoon nañ ma pour ko ma jéem a étouffer affaire bi parce que waa ji kilifa la te lii kat su siiwee du baax ci moom ndaxte dëkk bu mu dëkk la ak politicien bi. waye musuma ci dugg ñu ne ma dal na def ben vidéo wala wax démentir xale bu jigen bi amna ay xarit yo xamanteni bokkon nañ ko man lañu wowon kon donc limay wax ni dama ko fekke am ci ay source dugguwuma ci ñu ne sax waji pour mu étouffer affaire bi fokk mu génn dëkk bi quelque temps ba affaire bi sedd kon tay su ne marem faisal moko moo dig pour mu exiler wu ji man damay naan li tax mu exilé wu ji xale bu jigéen bii mu ëmbaloon coow li waroon tàkk foofu ca Touba loolu moo tax mu exilé wu ji kantaan nag proposé nañ ko deux 200 millions wala proposé wuñu ko 200 millions loolu moom xaw ma ci A ni B waaye li waral exil boobu mu wax bërki démb publiquement en point de presse ce politicien biy défendre Ousmane Sonko ne Marème fay sal moo ko proposé pour mu exiler man Tange Tandian nee naa leen dëgg bi mooy xale bu jigéen bu am 24 ans bi mu ëmbaloon mu bañ ëmb jooju moo taxoon moo génn dëkk bi xaw ma Angleterre la demoon xaw ma Espagne la demoon xaw ma France la demoon xaw ma Suède xaw ma Norvège mais génnoon na dëkk bi ay at kenn déggu ko ba affaire bi étouffé wu la soog a dellusi nee naa la nag tungu ne du sew ñuy nataal man Tange Tandian li ma wax dafa preuve dama bëgg ñu déglu ñu vidéo xale bu jigéen bii nga xamante ni mi ngi ko def en 2020 lan la wax

après ci loolu si lañ xamante parce que temps boobu maa ngi amoon benn idée ubbi benn boutique prêt-à-porter pour jaay ci ay yére jigéen après sama xel ne naa naa ko ko wax peut-être moom na ci mën a jàpp après ci laa ko wax ci noonu après mu ne ma garaawul ñaat ñaata ngay soxla ma ni ko un wala cinq cent wala deux bu ne ma mu dem si Dakar cinq cent wala deux millions mu ne ma mu ne ma garaawul diggante boobu mu dem ci Dakar mais tewul ñu ngi woon déggante après mu ñëw mu ne ma maa ngi Tuuba léegi est-ce que dañ mën a gisee comme ça ñu xool finan finance finance bi muy demee financement bi muy demee waaw waaw ci loolu nag après ñëwul ci kër gi ñëwul ci kër gi ci buntu kër gi la taxaw après ñu ma wàcc fekk ko ci otoom après bi ma commencé wax loolu mu ne waa loolu mën naa nekk mais man sax fan yëpp maa ngi bëggoon sa numéro ndax eh, dama am cofeel ci yow depuis ma gis la te buguma caaxaan tam caaxaan taxumaa jóg après mu ne ma su fekkee ne d'accord nga dama laa bëgg a takk ñaareel après ci loolu ma ma jàpp ni li wax dëgg la ci moom parce que benn responsable la ñaar yaakaar naa duma def lu mu metti après ma nangu ko loolu ñu nekk ci diggante boobu tamit demaan na fi Dakar ñu déggante mais wax na ma trois fois ci déggante boobu ne ma xanaa su ma ñëwee Touba di nga ma seet ma koy tooj naan ko loolu est-ce que ko après ci la ci la mel lu gis boppam daañu yow sa njort dafa ñaaw parce que su ma la waxee ñëw seet ko sa parce que mun ma ñëw foofu te kilifa laa mun ma dem ci mbedd bi. du taxaw ci wet loolu boo tax d'accord ma ma ma ma kii ma ma ma gëm loolu nekk nekk euh, ci loolu ci kaw ànd boobu ñu doon ànd ci la doom bi sosu au début nangu woon na ko ba nangu woon ma jox xaalis pour ma yàq ko léegi mu bi mu xamee ne dama ëmb daf ni ma léegi dinaa ko yàq parce que boobu màggal mi ngi jub si woon mu ne daf ma bëgg a takk si màggal bi te su fekkee ak ëmb bi loolu du mën a nekk mu jox ma xaalis yàqu ma ko mu jox ma cent cinquante mille yàqu ma ko mais dafa foogoon ne moom pour moom peut-être dafa jàpp na yàq naa ko ma toog 4 mois après ma envoyé ko message ma ne ko bi dañul mu woo ma mu ne ma lan nga wax ma ne ko xanaa gisoo kii message bi mu commencé naa ma yow danga may fontoo ñu ma wax loolu ak kii commencé yuux foofu daal di coupé si ngoon bi ma envoyé ko message vocal o mel ne ko sa réaction wu sànq de jaaxal na ma te xaaruma loolu foofu mu commencé na ma yow doo taxawaalu ci àll bi après nga ñëw ne ma euh, maa jur doom bi su fekkee da nga bëgg lekk sama xaalis man moo ma santage moo lekk sama xaalis lekk sama xaalis yombuwul noonu xale bi nag fii ba ñu war buuf bi juruma ko du sama doom après ma supprimer message yi parce que bëgguma woon nit dox ba gis ko léegi bu ko suñu waa kër yëgee sama yaay woo na ko mu weddi ne musuma xam musuma jox xaalis musuma dig ne daf may takk après ñu bàyyi noonu ba léegi waxu ci dara waxu ci xale bi dara nu mu ci wax dara fan yi passé nag yàggul dara yónnee naa ko benn message ak benn mbokkam parce que moom su ma ko woowee du jël depuis boobu su ma ko woowee du jël su ko envoyé message noonu tamit ci ko message benn mbokkam ma ko ne ko man instant bi sonn naa ci xaar parce que woo naa ko ci sutura ba nu ta wuyu léegi nag su fekkee mënu reconnaître doom ci sutura mu yor ko ndax man mënu ma ko yor yor xale dafa métti te ba liggéeyu ma dañ ma ci jàppale rek te tamit dañ ma ci seetaan tamit mën naa dem ci média bi peut-être loolu moo tax xëy na dafa jot ci euh, audio boobu moo ko envoyé dañ ko envoyé peut-être ci ay bi ma ko ki ko envoyé ci guddi laa ko envoyé ma xëy mën naa dem ci média bi peut-être loolu moo tax xëy na dafa jot ci euh, audio boobu ko envoyé dañ ko envoyé peut-être ci ay ki ma ko envoyé ci guddi laa ko envoyé ma xëy ay 14 heures am benn numéro bu ma envoyé message bi ma menacé ci ay photo mu ne dafa yor suba vidéo te vidéo boobu avant avant yi yëpp fan benn nijaayam junjoon na ko koo xam ne doon na ma jàppale ci affaire bi léegi dafa bëgg a teg sama gémmiñ loolu moo tax mu génnee vidéo bi ma noppi vidéo intime la man am moom moo ko filmé moo ko filmé ci téléphone loolu leer na waaw loolu la bëgg ci vidéo bi def ko utiliser pour dima ci chantage pour ma noppi pour ma noppi ka wax ne bañ waxatee waxate lu jëm ci moom ak ak doom ji bi ma comme ni ma noppi ci six mois yi nga xamante ni boobaag léegi daanaka waxuma ci dara te xale bi instant mi ngi ci sixième mois te boobu ba léegi doxu ci benn tànk parce ko doon déglu peut-être mu mu mu reculer ci dafa mel ni reculer wu ci bi ma ko xamalee na ko nag dinaa dem ci média bi ci la ci la ci la ci la mu envoyé ci ci moom numéro Tigo boobu envoyé ma vidéo yi tamit wóor na ma ne vidéo yi moom moo ko jël moo ko filmé boo ko xoolee téléphone am ay vidéo am la. bi tamit plainte naa ko plainte naa ko ñëwul woo nañ ko mu ne leen nekk fi maa ngi maa ngi Dakar ñu ne ko kañ nga ñëw mu leen leen ñu ko lundi soo ñëwee mardi 16h nga ñëw parce que dafa am dossier mardi man tamit bi mu coupé ñu ne ma mardi nga ñëw 16h ma dem 15h ba 17h ñëwul ñu woo ko ci même numéro bi ñu ko woowoon di jot boîte ba sonn jot boîte vocale après laa dégg ñu ne ma génn nekkul Sénégal même bi may am doom sax fekk ko fi. kenn jàppalewu ma ci parce que peut ñoom kenn du du du ci kenn koo xamante ne dina toog ba xalaat ne peut-être dinaa war a soxla dara ci xale bi ñoom dañuy fàtte ne sax peut ne yor naa yor naa kii naa doom wala am na lu ci war. li ma soxla ci moom mooy mu reconnaître xale bi. moo xam da koy def ci sutura moo xam da koy def ñëpp dégg ko man loolu sama yoon newu li ma soxla rek moom mooy mu reconnaître doomam li war moom mu def ko parce que xale bi dafa am dafa am droit am papa dafa war a jàngi te amul benn kayit instant bu mu léegi mu moo bëgg mu ko li war moom yëpp mu def ko moo xam nag ci nu mu koy jaarale dèjà santam laa ko jox sant sant sant sant Mbàkke laa ko jox bu reconnaître bu reconnaître ma ci dara ba keroog muy dafa dis trop te demagul fenn six mois déjà mais déjà euh, charge xale bi dafa diis te demagul fenn parce que six mois la ñu ci sixième mois sax laay wax mais dafa diis imaginer nga war a yor xale mu war a màgg war a dem jàngi ak leneen ak leneen loo xam ne kenn mënu ko boole dafa metti te liggéeyum dañ ma ci jàppale rek sinon du dox loolu tamit mën ma ko musuma musuma proposé xaalis daf ma dara amu ci woon daf am lu woon daf ma doon nax rek daf ma doon daf ma peut daf ma xemme moom loolu laa ko mën a tuddee parce que bu xamee ne dama dama bu fexe na ba ba fexe na ba nu nu mu ma dindeewum bi la bëggoon te dañu mais man moom gëmoon naa ko wax dëgg yàlla. amoon naa njortu ne dina ma takk parce que loolu la ma wax ko taman tamit yaakaaruma woon yaakaaruma ko woon fii xaarewuma ko woon fii quoi sama mag bu góor moom xam na ko bu baax xam na ko me mu ngi cee dox dara moom tamit bu mu jógee a bi au lieu mu woo ko dafa xaar waaji woo ko waaji woo ko weddi weddi ba doyal moom tamit comme dégg na ni ñi wax mu mu gëm loolu yamu ji da ko da ko dëggal comme ni nga ko wax man tamit peut-être juuma parce que lii mooy loolu li gëm na li waa kër gi di wax daal boobaag léegi moom tamit doxaatu ci benn tànku jéego daf ma ci seetaan carrément on dirait que ne kee la gën a kon yaakaar naa ni ñoo seetaanandoo vidéo boobu maanaam Tungune du teew ñuy notaal kim ko séqaloon muy xale bu jigéen boo am ñaar fukki at ak ñeent mu ëmbal ko ci kaw ndimbal bi xale bu jigéen bi yaakaaroon ci moom diggoon ko da koy takk ñaareel mu ëmbal xale bi jox xale bi cent mille pour xale bi yàq biir bi ndaxte comme màggal gi jóge na te kenn du takk say ci ëmb dafa bëgg xale bi yàq biir bi su màggal jotee mu takk ko xale bi yàqul biir bi xale bi moo def témoignage bi lii moo taxoon nag politicien boobu

je crois que lenn la moi xale bu jigéen bi mu ëmbaloon muy sa politicien donc li mo waraloon wax ji mom lañ leen lon tay ci politicien bi nga xamante ni def na point de presse am yëkkati ay accusation teg ko ci première dame li ma leen di xamal exil boobu mu demoon extérieur dara warul ko xale bu jigéen bii la ëmbaloon bañ paternité bi jox ko cent cinquante pour mu yàq biir bi xale bi yàqul biir bi mu bëgg a coow bi étouffé wu parce que Touba la bokk xam na kër bu mu bokk ak kilifa bu mu bokk bañ a taqal ñooñu moo tax mu génn dëkk bi ba affaire bi étouffé wu lii lañ leen loon seen acte du jour samedi mercredi 20 septembre 2023 fii ci VIP People TV la chaîne des grands événements s'informer juste vrai Nena len leen abonné ba noppi bu len faté ba cloche de notification bi ngir jot yeneen vidéo li ma wax nak leer na nañ tudduwuma kilifa diine tudduwuma chef religieux tudduwuma tur tudduwuma Masamba ki wax Mariam Faisal motax mu exilé wuji, mom la né xalé bu jigéen bi motaxone nga exilé wu ji sama genje nak sanni. ku ci gis sa bop rek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 dibiterie Uba pour la première fois dibiterie professionnalisée professionnel on ndaw musoko mosoo de am suñu marinade bop am suñu tiafka bop am suñu secret bop na nga xamé ni non la McDonald amé ay secret non la dibiterie Uba amé ay secret dibi Uba Safiap Uba michui Uba poulet Uba pigeon Uba pintade Uba bol. Ouba, kaay ma wax la 77 629 0000. fa Moi 77 633 57 57 Fou Michui Nehe, Moi Dibiteri Uba Fou poulet Nehe, Moi Dibiteri Uba Tenak nag kaay ouba. wax la nous Uba livrer le fangane. Boule ne bu la tamit nga commande Tabaski de say commande Bo amee de defal commande Boy dalal aïnit de defal commande nga